Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum d'Issidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme euh, d'Issidio Kalangou qui sont euh, diffusés en direct euh, par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème l'ensemencement des nuages, quel impact pour l'évolution de la campagne agro-silvopastorale 2022 au Niger. Le Niger a décidé de provoquer des pluies artificielles face à la sécheresse qui a engendré plusieurs années durant une série de crises alimentaires sévères dans ce pays aride où 80% de la population dépend d'une agriculture fluviale. Cette technique d'ensemencement des niages permet d'augmenter les précipitations dans les régions agricoles touchés par la sécheresse. Ces pluies provoquées consistent à l'aide d'un avion à introduire dans le nuage des produits chimiques, notamment un mélange d'argent, de sodium et d'acétone. L'ensemencement des nuages est une technique délicate qui ne fonctionne qu'avec certains types de nuages et qui peut avoir des conséquences négatives sur l'environnement. L'ouest du Niger, euh, dont euh, la région de Niamey, ont bénéficié des premières interventions au début août après plusieurs semaines euh, sans pluie. L'opération se poursuivra jusqu'à la fin septembre, période habituelle de la fin de la saison des pluies au Niger. Le climat dans ce pays est de type sahélien, caractérisé par une longue saison sèche de 8 à 10 mois et une courte saison de pluie qui dure de 3 à 4 mois de juin à septembre. 20% de la population en insécurité alimentaire, il fallait agir sur ce phénomène de sécheresse afin d'avoir beaucoup plus euh, de jours euh, de pluie et augmenter par la même occasion la quantité des pluies, a expliqué Kachalou Gabchalonwa, un directeur de la météorologie nigérienne qui pilote l'opération avec euh, le consortium malien IBR, rapporte le site d'information France Info Africa. Avec euh, nos invités, nous allons d'abord échanger sur euh, les objectifs visés par les décideurs publics à travers la provocation des pluies. Ensuite, faire un état des lieux sur l'évolution de la campagne agro-silvo-pastorale 2022 au Niger. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio A Kachalou Gabtian Lanwa, directeur général de la météorologie nationale euh, du Niger. Euh, monsieur le directeur général, euh, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Salim Maman de la plateforme paysanne du Niger. Salim Maman, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également invité la direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. Au microphone, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, monsieur le directeur général Kachalou Gapchalawa, directeur général de la météorologie nationale du Niger. Ensemencer l'unillage, provoquer la pluie, comment ça se passe concrètement sur le terrain, monsieur le directeur général Ok, merci bien. Euh, oui, euh, donc. Euh, merci de m'avoir donné la parole et de me donner cette occasion pour venir m'exprimer sur cette nouvelle initiative du président de la République, son Excellence euh, euh, Baz Mohamed. Et effectivement, euh, cette initiative consiste, si on veut, comme son nom l'indique, à ensemencer les nuages. Ensemencer, ça veut dire tout simplement d'abord, un, il faut que le nuage existe. Parce que en parlant d'artificiel, il y en a qui pensent qu'on crée également le nuage. Mais il faut que le nuage existe d'abord. Et, c'est sur ce nuages existant n'est-ce pas, à un certain niveau de développement que nous intervenons. Et, donc ici, et, euh, généralement, il y a plusieurs façons de faire ces opérations, de façon générale. On peut le faire depuis le sol. Depuis le sol, c'est-à-dire... À, partir des générateurs qu'on place sur des montagnes ou bien même en tout cas au passage des systèmes, systèmes euh, des, des, nuages pour que effectivement ça remonte dans le nuage. Et ça c'est un exemple. Euh, que souvent le Maroc, par exemple, utilise euh, dans, dans son, son, activité, n'est-ce pas, dans ses nuages. nuage. Mais euh, il y a aussi une autre façon de faire, c'est d'agir avec les avions. Donc des avions qui vont aller, n'est-ce pas, le, nuage ciblé, aller, et, si vous voulez, injecter ces produits chimiques, donc ce sont des sels minéraux en réalité. Ici, dans notre cas, nous utilisons l'iodure d'argent et, le chlorure de calcium. Donc ce sont les deux là qu'on utilise. Et on agit alors soit en dessous du nuage, que, parce qu'en dessous du nuage, il y a des vents qui, qui montent, qu'on appelle les vents ascendants. Donc une fois qu'on introduit les produits, les vents les entraînent à l'intérieur du nuage. Et, ou bien, euh, carrément, euh, ça, ça dépend de ce, de, qu'on veut, justement. On peut aller au-delà, au-dessus du nuage, carrément. Et là également, il y a, on injecte euh, ces produits-là depuis là-haut, donc sur, dans le nuage. Donc, euh, et c'est là, c'était pour, d'abord, euh, peut-être il faut rappeler peut-être la formation du nuage pour pouvoir bien expliquer cette affaire-là. Allez-y. C'est euh, les nuages que nous voyons, nous agissons souvent sur les nuages convectifs. Ce qu'on appelle les nuages ce sont les nuages qui sont formés à partir de la convection. C'est-à-dire qu'il y a le soleil. Il faut d'abord qu'il y ait de, l'air chargé d'humidité, donc la mousson. Le soleil qui doit arriver, et donc quand, qui frappe et qui fait que euh, euh, l'air euh, va se soulever, n'est-ce pas, devenant moins dense, aller donc en altitude. Une fois que ça atteint un certain niveau, avec la température qui baisse, et donc au fur et à mesure, nous atteignons un niveau où ça, va, ça doit se condenser, donc dépasser en vapeur donc, ou en liquide ou, si vous voulez, en petits cristaux de glace. Bon, pour se faire, pour se condenser, et, former un nuage, il faut forcément quelque chose. Il y a un ingrédient important que l'on appelle les noyaux de condensation. monsieur le directeur, est-ce que ces genres de nuages, on peut les trouver dans toutes les huit régions du Niger Oui, mais évidemment, dans toute euh, <laughs> l'Afrique pratiquement. Parce que, euh, surtout dans les zones tropicales, euh, c'est l'activité convective. C'est pratiquement l'essentiel de nos nuages sont, de ce type-là. Donc, pour la dessus il n'y a pas de problème. Et donc, c'est donc c'est le gouttelette vont s'accrocher donc autour de ces petits noyaux qu'on appelle les noyaux de condensation. Ce sont la poussière que vous voyez là, euh, les particules de poussière. Ça peut être du sel marin ou si vous voulez tout type d'aérosol donc euh, divers, donc qui sont déjà dans l'atmosphère. Et donc ça s'accroche et c'est autour de ça qu'est maintenant l'activité euh, physico-chimique le développement des gouttelettes de pluie vont se, vont se faire. Et il y a l'aspect où il y a une captation de l'eau autour pour faire grossir, n'est-ce pas, ces particules non, ou ces gouttelettes de nuages qui vont grossir, grossir, quand atteindre un niveau et ça tombe sous, sous l'effet de gravité. C'est ça la pluie. Ou, il y a aussi l'autre action donc, euh, qui est beaucoup plus euh, mécanique. C'est dans ce genre de nuages, il y a généralement des, des vents, des, vents euh, ascendants, même à l'intérieur des gens, et descendants. Donc ça fait que les particules peuvent se croiser et c'est et, pas, s'accrocher et faire grossir alors le cristaux. C'est comme ça souvent que les graines se forment. Donc euh, c'est ce phénomène. Donc en injectant ces produits-là que j'ai indiqués, ça va accélérer ce processus-là à l'intérieur du nuage. Donc si en temps normal, par exemple, peut-être que ça, ça peut passer sur un lieu sans qu'il y ait de la pluie, donc, euh, euh, ça consiste à faire de sorte que ça accélère les processus et ça multiplie le nombre déjà des noyaux de condensation et donc beaucoup plus, n'est-ce pas, euh, de gouttelettes dans, le nuage et qui donc on, est, qu'on arrive quand même à avoir de la pluie. C'est ça l'objectif. Mais cette méthode n'est pas faite seulement pour la pluie. On peut, par exemple, dans les, dans les pays, dans les zones tempérées, où leur problème ce n'est pas la sécheresse, c'est plutôt la grêle, par exemple. On peut introduire ce genre de choses pour que par compétition, on arrive à réduire, par exemple, le, diamètre des, graines. Des, et que ça devienne des petits cristaux qui ne peuvent pas endommager les, cultures. Parce que leur problème là-bas, c'est surtout ça. Donc voilà, euh, si, on veut, à quoi euh, cela consiste. Monsieur le directeur général, est-ce que c'est un procédé nouveau ici au Niger Bon, en tout cas, nous euh, n'étions pas là, euh, où on n'a pas. Euh, bon, on était là, on était peut-être très petit, mais ça s'est déjà passé au Niger dans les années 70. Avec Djouri Hamani Djouri jusqu'à Kunche, donc jusqu'à 1972, jusqu'à comme ça. dans, les barrages là, nous avons en tout cas des documents au niveau de la direction de la météorologie nationale et qui sont encore là, de, cette, de, ces, de, ces, activités Donc, oui, il y a déjà des opérations, mais c'est assez lointain. Et c'est plus de combien d'années maintenant <laughs> Pratiquement plus de 40 ans, 50 ans. Donc euh, c'est assez, assez ancien. Monsieur le directeur général, à quelle période de l'année faut-il ensemencer des nuages ou provoquer des pluies Bon, c'est durant toute la période de, la saison. Dès lors que nous avons des nuages qui se forment, n'est-ce pas Et donc on peut effectivement procéder à, cette opération-là. Hmm, cette euh, pratique n'a-t-elle pas des conséquences euh, néfastes sur l'environnement oui, et par exemple, pour ce qui est des, par chlorure de, chlorure de, calcium, il n'y a aucun effet négatif. Même pour euh, l'iodure d'argent, il est nocif que quand c'est en très grande quantité. Donc pour les quantités qu'on utilise vraiment, il n'y a pas de problème sur l'environnement. Et c'est pourquoi autour de l'équipe, n'est-ce pas, qui, fait, parce que cette, cette année, on peut considérer ça comme une phase test. D'accord ça veut dire que ça va être euh, continuel euh, au, fur, au fur, et à mesure. Ça, c'est au-dessus de, <laughs> mes trucs de le dire. Je ne suis vraiment pas habilité à dire ça. Mais pour moi, euh, nous avons une responsabilité. Nous coordonnons les activités et nous, nous, nous voulons nous assurer que cette opération est faite de la meilleure des façons. Donc ça, c'est ce que moi, je peux dire. Et je peux dire effectivement que ça s'est en tout cas passé jusque-là de la meilleure des façons. Voilà ce que j'ai pu dire là. le coût euh, d'une pluie, de, la provocation d'une pluie varie de combien à combien, par exemple Bon, on aurait pu, on aurait pu venir peut-être avec les techniciens de la compagnie. Ils sont mieux indiqués pour, me, pour dire vraiment Merci beaucoup, monsieur le directeur général. On va revenir vers vous. Encore le temps de donner la parole à Salem Mamana de la plateforme paysanne. Salem Mamana, que peut-on retenir au sujet de l'évolution de la campagne agro-silvopastorale 2022 au Niger Ok, merci bien. Monsieur Mokhtar, en tout cas, je remercie le studio Kalangu de l'opportunité qu'il nous donne, en tout cas, à participer à ces forums. Merci, ah, merci aussi. Ok. En tout cas, les euh, informations que nous avons reçues, en tout cas de, euh, de la part des, producteurs, c'est que cette année, vraiment, euh, globalement, on peut dire que la, en tout cas, la saison pluvieuse, elle est très bonne. elle est très bonne, sauf que, effectivement, au début du mois d'août, les gens, surtout de la région de maladies, en tout cas, les gens avaient commencé à alerter un peu l'apparition des attaques des criquets. Mais en tout cas. Même, vers euh, Tanout, dans la région des Andes. Voilà, même vers Tanout. En tout cas, c'est le seul, quand même, euh, je pense, euh, incident qu'on a pu, en tout cas, relever. Mais sinon, les informations qu'on a actuellement, c'est que la campagne se déroule normalement, que, bon, on attend, disons, à la fin pour faire l'évaluation, pour voir, en tout cas, ce que ça a donné. Monsieur Salim Maman, cette tendance apporte-t-elle euh, de l'espoir d'une meilleure campagne agricole 2022 comparativement à l'année dernière Oui, en tout cas, nous, vous savez, hein, les producteurs, euh, tous ceux qui concourent effectivement à améliorer la production et la productivité des producteurs, en tout cas, nous, saluons en tout cas l'initiative. Pour l'instant, je dirais que c'est très tôt un peu, en tout cas, d'évaluer le fait escompté, euh, en tout cas, de cette initiative euh, dès lors que déjà euh, les prévisions météorologiques, euh, ils avaient en tout cas prévu que cette année, la campagne en tout cas de cette année sera un peu humide et excédentaire. Donc euh, je pense que, en tout cas, si, ceux qui ne sont pas pour l'instant bien informés de cette initiative, ils peuvent toujours penser que c'est toujours en tout cas les prévisions météorologiques initiales, c'est ça, en tout cas c'est le résultat qui continue. donc nous pensons que effectivement euh, effectivement, il y a, notamment de la région de Niamey, on avait commencé à enregistrer, en tout cas, des périodes de sécheresse, jusqu'à ce que nous avons commencé à enregistrer, en tout cas, des grandes euh, quantités de pluie. C'est en ce moment-là que nous, nous avions appris qu'effectivement, il y a des initiatives d'ensemencement des niages qui avaient déjà commencé, notamment à partir de, de, de Zander. Donc, en tout cas, l'évolution actuelle, euh, en tout cas, les tendances actuelles, en tout cas, nous donnent l'espoir que la campagne sera euh, globalement satisfaisante. Salem maintenant, quelles sont les difficultés que rencontrent euh, les agriculteurs Ça ne se passe pas sans difficulté Oui, ça ne se passe pas sans difficulté. Euh, donc, vous savez, la première difficulté, effectivement, pendant la saison pluvieuse, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un contexte de changement climatique. Ce qui impacte les Niger, c'est surtout la sécheresse et les inondations. Donc, en tout cas, la première difficulté c'est qu'effectivement, c'est la sécheresse. Euh, la sécheresse, euh, nous pensons que cette année, c'est un peu, c'est un peu, en tout cas, atténué euh, du fait de l'intervention, en tout cas, de cette initiative. Mais nous subissons maintenant les effets des inondations. C'est pour cela que nous, nous avons souhaité que s'il y a déjà des initiatives, ce que c'est d'informer un peu les organisations paysannes, donc pour dire qu'il y a une telle initiative qui va euh, être enclenché et qu'il faut sensibiliser et euh, donc producteurs pour pouvoir peut-être, s'il y a des mesures à prendre, surtout euh, si c'est pluie, en tout cas, heureux de, conséquences, notamment en termes d'inondation. Donc, de, en tout cas, de les alerter et à, prendre, en tout cas, des mesures. En tout cas, l'impact qu'on a, qu'on a effectivement, les informations qu'on a, c'est que c'est les inondations cette année qui ont fait en tout cas plus de dégâts. Vous avez suivi avec nous effectivement euh, le point de presse ou la déclaration du ministre des Actions humanitaires qui a relevé que vraiment il y a, un fort en tout cas, dégât en termes de champs qui ont été complètement inondés, et des sinistrés, et puis de, maisons qui sont tombées. vraiment, c'est ça l'impact effectivement, négatif euh, de cette situation. Euh, Salim Maman de la plateforme euh, paysanne, au stade actuel de l'évolution des cultures, quelles sont les recommandations particulières ou conseils à l'endroit des agriculteurs pour un meilleur rendement Oui, en tout cas, euh, le conseil, c'est que nous disons aux producteurs effectivement d'accélérer, effectivement, surtout, disons, en tout cas, de, de, la récolte. Euh, attends, effectivement, nous avons vu euh, euh, dans certaines régions, effectivement, il de pluies répétitives, jusqu'à les gens n'ont pas pu aller récolter, bien que le mûle est arrivé en maturité. Donc ça, ça peut également effectivement créer un autre, être, être, un autre effet, en tout cas négatif. Parce que les pluies, vous savez, une fois en maturité, si ce n'est pas encore récolté, vraiment les épis risquent de, de, pourrir ou de noircir. Donc là, ça, ça, en tout cas, c'est, pas, ça va créer encore une <laughs> boule de neige, comme on dit. Donc, euh, euh, en tout cas, c'est de faire euh, prendre les mesures effectivement, des traitements, parce que vous savez encore s'il y a trop d'humidité, il y a certains ennemis, en tout cas, des cultures, qui se déclenchent. Donc là, c'est une mesure conjointe hein, avec le gouvernement. Il faut que les, gens, les directions de protection phytosanitaire accélèrent effectivement euh, à traiter euh, ou à donner en tout cas de conseils pour pouvoir euh, traiter les cultures qui sont déjà, déjà infectées ou infestées. Voilà quelques. En tout cas. Monsieur Salem ça fait quand même quelques années que le gouvernement nigérien encourage l'introduction ou bien l'utilisation des semences de variétés améliorées. Est-ce que cette utilisation a commencé à donner des résultats Est-ce que ça a porté des fruits oui, effectivement, les gens sont conscients que maintenant, avec euh, les changements euh, climatiques, il faut effectivement changer euh, de pratique. De pratique, effectivement, que ce soit en termes d'utilisation de semences, que ce soit même en termes de pratiques culturelles. Donc, il faut vraiment il faut voir, comment, en tout cas, il faut, il faut changer. vous savez, un peu, la difficulté, c'est que souvent, les semences améliorées, c'est que souvent, c'est la cherté et l'accessibilité. Euh, effectivement, il y a, des euh, disons, des partenaires techniques qui, euh, disons, donnent ou distribuent ces semences-là. Et même l'État fournit des efforts. Hein. il place, en tout cas, souvent, en tout cas, des quantités, bien que ce n'est pas suffisant, au niveau de direction dans les, les régions et dans les, dans les départements, dans les communes. Mais ce que souvent, ces entrées-là arrivent un peu en retard et que les paysans, souvent, ils utilisent leurs propres semences. Et donc nous, souvent, nous encourageons en tant qu'organisation paysanne parce que nous disons que nos semences, paysannes, effectivement, sont des semences à ne pas négliger parce que quoi qu'on dise, ah. c'est des, semences qui ont su adapter malgré les mutations climatiques et qui continuent effectivement à s'adapter. Donc la diversité également, euh, c'est une chose euh, dans le cadre, en tout cas, c'est une bonne chose dans le cadre d'adaptation euh, au changement climatique. Donc, en tout cas, euh, euh, c'est ça euh, Monsieur Salem qui dit plateforme paysanne, dit aussi l'élevage. Le pastoralisme aussi vous concerne au niveau de la plateforme paysanne. Quelle est la situation des éleveurs et leurs châtels de façon générale ici au Niger Oui, je pense que la situation, c'est. la même chose. Quand il y a effectivement la saison est bonne, <laughs> c'est que ça concerne et les agriculteurs et les, les, euh, les, éleveurs. Donc, en tout cas, euh, en tout cas, il n'y a pas euh, d'inquiétude cette année par rapport, en tout cas, au pâturage. je pense que les organisations pastorales sont conscientes qu'elles-mêmes peuvent faire, en tout cas, des transhumances internes parce qu'on a vraiment cette année suffisamment de couverts végétales. Hein. Donc ça ne vaut pas la peine, je pense, de faire la transhumance pour aller dans une autre région connaissant les difficultés qui existent maintenant, en dehors même du fait qu'il y a cette insécurité, en tout cas euh, partout un peu au niveau de nos frontières, il y a même les États maintenant qui commencent effectivement à fermer les frontières, euh, euh, en tout cas qui maintenant les pastoralistes sont vraiment transfrontaliers, ça pose problème. Donc cette année, en tout cas, on remercie Dieu. On a suffisamment, en tout cas, des tapis herbacés, on a de, de fourrage. Donc je pense que à l'interne même, euh, euh, en tout cas, les éleveurs peuvent faire la, la, Ça, les moments de la plateforme paysanne, qu'en est-il à présent de la situation sanitaire du cheptel euh, La situation sanitaire, en tout cas, du cheptel, pour l'instant, nous, on n'a pas encore eu, en tout cas, des alertes ou, en tout cas, d'inquiétude qu'il y a une épisodie qui s'est manifestée. En tout cas, pour l'instant, on peut dire que c'est calme. Merci Salim Maman, on me servi une courte pause. Monsieur le directeur général euh, de la euh, Direction générale de la météorologie nationale euh, du Niger, Kachalou Gabtian Lawan, on revient encore vers vous. Comment les pluies sont-elles réparties sur le territoire nigérien cette année Ok, merci bien. Bon, de façon générale, il faut déjà dire que à ce stade-là, nous avons quand même des excédents pluviométriques la majeure partie du pays, même si on déplore quand même jusqu'à présent, euh, tout en n'étant pas très négatif, bien entendu, et quand même euh, quelques euh, qui ne sont pas assez avancées sur les régions du centre des régions du fleuve, mais également le nord d'Osso, donc dans ces parages-là, et un peu euh, quelques petites localités du sud Tawa, un peu également voilà. Sinon, de façon générale, même sur le nord aujourd'hui, cette année, il y a eu des pluies. Et il y aura même des zones qui ont enregistré des pluies exceptionnelles. C'est par exemple les zones de Difa. Des pluies exceptionnelles, c'est-à-dire Quand j'ai dit exceptionnel en termes de quantité, c'est des choses qui n'ont peut-être pas jamais, jamais été enregistrées. La localité où on a des 350, euh, maximum 400, on peut arriver à 500 cette année. Donc vous voyez, c'est quelque chose quand même d'assez important à souligner. Sinon, de façon générale, effectivement, pour la pluie, il y a certainement des poches de sécheresse, c'est clair, et un peu dans le nord, au niveau de, certaines localités Tawa, Et comme je l'ai dit également aussi, sur le, le sud-ouest du pays. Mais sinon, de façon générale, en tout cas, euh, la pluviométrie, euh, ça va jusque-là. Monsieur le directeur euh, général, comparativement aux années antérieures, cette année, la pluviométrie est-elle meilleure que l'année dernière, par exemple Oui, c'est clair que, en fait, le problème de l'année dernière, c'est on avait fait pratiquement la même prévision que cette année. C'était des pluies euh, excédentaires à euh, normales. Mais le problème même l'année dernière, quand on fait le cumul, il y a beaucoup de zones qui sont excédentaires. Mais le problème, c'est la distribution de la pluie à l'intérieur de la saison. Et d'ailleurs, l'impact le plus crucial qu'on a constaté des changements climatiques, en réalité, ce n'est pas la réduction de la quantité de pluie par an ou par saison. Non, au contraire, euh, en termes de cumul, ça augmente même. Mais c'est le démarrage des saisons avec beaucoup de pauses pluviométriques, souvent même à l'intérieur de la saison ou vers la fin de la saison, nous avons des arrêts de pluie assez prolongés que nous appelons donc les séquences sèches et qui se font. Donc l'impact, le premier impact le plus important, c'est ça qui amène la sécheresse qu'on dit. Ce n'est pas une sécheresse en termes de volume d'eau, mais c'est une sécheresse qui se, qui se fait en termes d'arrêt de pluie pendant que les cultures, mais également les pâturages en a besoin. Et c'est ça qui entame le cycle de développement, le cycle végétatif de ces cultures et de ces plantes-là, et qui fait que effectivement finalement euh, ça compromet le rendement ou ça fait baisser le rendement. Donc c'est l'élément crucial. Et d'ailleurs, euh, l'intervention, euh, n'est-ce pas, des plus provoqués intervient, n'est-ce pas, dans ce contexte-là. Et l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces pauses pluviométriques prolongées à l'intérieur de saison. Et donc c'est ça, c'est la première motivation de cette initiative du président que nous coordonnons. Et euh, parlant effectivement, on a parlé des inondations, on a parlé de ceci ou cela, et les paysans. Et pour ce qui est de la communication, je crois que cette activité a été vraiment communiquée partout, mhm. même au niveau euh, à l'extérieur. BBC, Voix d'Amérique, il n'y a pas une, euh, même RFI, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas rapporté cette activité. Et à l'intérieur du pays, je veux dire, nous avons la télé Sahel, la, la télé qui a fait des éléments là-dessus. Il y a des radios et télévisions privées à qui on a donné toutes les, interviews nécessaires pour expliquer de fond en comble, n'est-ce pas, euh, les tenants et les aboutissants de cette initiative-là. Et donc, euh, voilà, normalement, ça, a été très bien communiqué. C'est vrai qu'il aurait fallu qu'avant même l'installation de la saison, qu'on ait peut-être de euh, cette communication à l'endroit des populations. Mais étant donné que c'est venu beaucoup plus tard, dans la saison parce que l'activité a commencé au mois de juillet, n'est-ce pas Et donc, on n'a pas pu faire cela dans le temps. Et comme c'est aussi, euh, on peut même qualifier ça de phase test cette année, et donc, euh, on n'a pas euh, eu à faire ça avant l'installation de la campagne. Mais si les autorités veulent justement faire continuer cette activité. Je crois que prochainement, il y aura toutes les, les communications nécessaires et à des moments bien précis et à des moments et qui feront que les gens soient informés des terrains aboutissants avant donc de, prendre les mesures s'il y a des mesures à prendre justement. Mais pour ce qui est des inondations, vous savez qu'au niveau de la direction de la météorologie nationale, nous suivons le temps. Chaque heure qui passe, nous regardons le ciel. Et donc, nous savons exactement là où nous avons, par exemple, beaucoup euh, d'inondations. C'est Zender, c'est Maradi, c'est Difa. Alors, souvent, on laisse le naturel faire et des fois, quand, par exemple, nous savons qu'il euh, une localité inondée, on n'intervient pas vraiment. Parce qu'il ne sert à rien d'intervenir là où il y a déjà de la pluie. Donc c'est pour cela que les techniciens de la chose et que nous sommes, et donc qui suivons surtout le temps, parce que c'est notre rôle, et n'est-ce pas pour dire attention, telle zone c'est pas bon, telle zone c'est pas bon. Euh, plus au nord, il faut aller le faire. Donc c'est comme ça que ça travaille. D'accord Il n'y aura pas eu d'erreur euh, de cible, par exemple non, il n'y a, pas, d'erreur de cible, c'est assez net. On, localise, on donne les coordonnées, les coordonnées précises de là où se trouve le système. Et, c'est comme ça que ça marche. Donc il n'y a pas d'erreur. L'avion sait quand il va partir, voilà les coordonnées, voilà la carte, voilà le nuage lui-même, là où il se situe, tout ça. Il a toutes les informations nécessaires et il va aller directement sur ces nuages-là et euh, il n'y a pas eu d'erreur. Euh, Monsieur le directeur général, est-ce qu'il y aura d'autres euh, opérations au cours de cette année, de cette campagne pluvieuse, par exemple Oui, donc nous sommes toujours basés à Zender, parce que vous savez, l'opération, je, dois rappeler cela, l'opération a commencé à Niamey. L'avion était ah, placé, oui, l'avion était à Niamey le mois de juillet, parce qu'on a, on a commencé les activités un peu mi-juillet, un peu plus de mi-juillet. Et, effectivement, vous, vous, vous rappelez, il y avait un arrêt de pluie au niveau de Niamey à un moment, jusqu'au début août. Et le, la première pluie qui arrivait, effectivement, c'était un système qui, était à la frontière Tawa-Tilaberi-Mali, qu'on on a ensemencé dans sa partie sud et qui, heureusement, euh, par la grâce de Dieu, le système est revenu et on a eu les pluies, les premières pluies qui ont interrompu les arrêts de plus de deux semaines pratiquement qui se faisaient à Niamey. Donc, euh, à cette période-là, euh, ça s'est trouvé à Niamey. Maintenant, après, donc, surtout avec l'arrivée du président au niveau, donc c'était le 13, le 13 août, je pourrais Donc, on a relocalisé le site de l'avion pour l'amener à Zender. L'avantage qu'on avait sur Zendel, c'est que c'est au milieu. Il est facile d'intervenir à droite comme à gauche. Et donc, c'est pourquoi on avait amené l'avion au niveau donc, euh, des Pour répondre maintenant à votre question, exactement, de quand est-ce que euh, interviendra la fin de ces activités, euh, des activités que nous menons, c'est, on, en tout cas, jusque-là, on a, on a calé ça au 28 septembre, Inch'Allah. Au niveau du 28 septembre, on va arrêter l'opération pour cette saison. Monsieur le directeur général, comment les services de la météorologie contribuent-ils en termes de conseils aux paysans et aux producteurs nigériens Bon, euh, vous savez, euh, nous, nous, euh, effectivement, nous sommes les techniciens ou les experts dans le cadre du climat et du changement climatique. Et nous avons mené plusieurs études nous-mêmes à notre niveau pour comprendre les comportements. Et d'ailleurs, pour motiver de telles initiatives, il fallait montrer les études et pourquoi il faut le faire avec des données purement scientifiques, c'est pas euh, du tout. Et donc, effectivement, les conseils qu'on donne, c'est par rapport à ce qu'on constate. Aujourd'hui, quand nous prenons par exemple, nous savons que la zone qui devient la plus problématique en termes de démarrage de saison, par exemple, c'est la zone ouest, selon nos études. Et la, les zone ouest vers Tilaberi. Donc, euh, si on veut Tilaberi jusqu'à Dosso, jusqu'à sud n'est-ce pas, globalement, mais il y a d'autres localités un peu. Mais de façon globale, c'est dans ces zones-là, Niamey, donc autour de Niamey, c'est dans ces zones-là qu'on a euh, ce genre de, de problèmes. même au niveau des arrêts des pluies, on a constaté que c'est cela. Et, on a tendance à avoir une situation qui s'améliore à l'est, donc à des maladies jusqu'à Difa ce n'est pas le lieu peut-être euh, de parler même du futur parce qu'on a fait tous les scénarios jusqu'à 2100, mais je crois que ça va être à une autre occasion. En tout cas, ce qui est constaté déjà, nous, on, travaille par exemple avec certains partenaires comme le PAM aujourd'hui, et sur le programme alimentaire, mondial. On travaille sur 13 communes, n'est-ce pas, qui, qui sont couvertes par le PAM. Et chaque année, on leur donne les prévisions saisonnières pour dire voilà ce qui va. On, on parle, les, les, les former sur comment le climat est en train de changer. Parce que vous savez, le climat, c'est aussi local. Hein. tu peux trouver une situation tout à fait différente entre, n'est-ce pas, des parties, n'est-ce pas, sous-jacentes, disons que des parties proches, n'est-ce pas, de notre territoire. Et, ça, il faut travailler avec les données locales pour pouvoir développer les produits. Ce que nous faisons, c'est quoi Sur l'ensemble de là nous intervenons, la première chose que nous faisons, c'est la caractérisation climatique de la zone et leur montrer leur disparité dans leur zone. Voilà là où le démarrage est un problème. Voilà là où la fin est un problème. Voilà là où nous avons beaucoup de pauses pluviométriques. Voilà là où nous avons des baisses de précipitations. C'est ça qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas agir, faire des programmes d'adaptation si on ne connaît pas exactement. C'est comme un médecin. Quand tu viens, tu es malade, il faut qu'il sache de quelle maladie tu souffres. Donc euh, il ne s'agit pas de partir prendre des généralités. La Banque mondiale a dit, ceci a dit, et on intervient. Ça, ce n'est pas du tout euh, pertinent. Je crois que euh, c'est ce que nous nous faisons. Et nous sommes là justement pour l'État, pour cela. Et donc, nous sommes aujourd'hui habilités à donner toutes les informations nécessaires sur toutes les localités du Niger. Et, nous suivons, si, si vous aviez voulu, nous avons euh, le cadre national pour le service climatique. Nous avons cinq groupes thématiques qui sont en train de travailler chaque mois avec nos collègues de l'énergie nos collègues, donc climat énergie, le premier groupe. Deuxième groupe, climat agriculture sécurité alimentaire, l'agriculture. Et euh, à nos jours, nous avons le dernier bulletin, si vous voulez, vous pouvez y accéder. Toute la situation du Niger, de, la saison du début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la première, euh, disons, jusqu'à la fin août, on, les a euh, là-bas et même jusqu'à, n'est-ce pas, voilà. Et les perspectives pour le mois de septembre. Et nous avons climat santé, nous travaillons généralement sur, sur les palus cette année et les palus, euh, on suit les palus effectivement son développement et on donne des, avis et conseils dans les zones où nous pensons que le risque est élevé. Mais c'est nouveau ça là non, c'est toujours avec euh, le soutien du PAM. Et c'est le cadre national pour les services climatiques a été mis en place depuis 2012. Nous sommes les, pratiquement les premiers pays d'Afrique à mettre en place le cadre national pour les services climatiques qui depuis 2009, quand ça a été demandé, n'est-ce pas, au niveau, donc, euh, à la conférence sur le climat qui s'est tenue donc, en 2009, où le cadre mondial pour les services climatiques a été initié et qu'il devrait y avoir des ramifications dans tous les pays au niveau régional, mais également au niveau national. Et donc, nous étions pratiquement les premiers à mettre en place ce cadre-là, mais vous savez, c'est le financement pour pouvoir travailler. Donc c'était un problème. On a développé beaucoup de procédures et tout ça. Malheureusement, il va falloir, jusque-là, ça devrait être un truc souverain où l'État ça nous occupe pour faire un minimum. Mais je crois qu'il n'y a rien de perdu. On va arriver éventuellement à cela. Mais ce sont les projets, ce sont les, partenaires qui, pour le moment, nous soutiennent. Et c'est comme ça que le PAM, depuis trois ans maintenant, nous permet effectivement de travailler sur la coordination de la de la méthodologie nationale avec tous ces, beaux mondes-là, de l'énergie, de l'agriculture, des ressources en eau, parce qu'il y a un groupe climat et ressources en eau, climat, agriculture, climat et santé, climat, énergie où nous avons travaillé par exemple sur les énergies solaires, qu'est-ce qui les a tenus et pendant les, périodes, pourquoi on a moins d'énergie, tout ça là. Tout ça c'est climat, c'est le climat qui affecte tous ces secteurs-là. Et donc il fallait qu'on se retrouve pour travailler ensemble. Et il y a aussi le, groupe climat, réduction des risques de catastrophe où euh, le point focal là c'est le SAP, pour l'agriculture c'est la, de l'agriculture, l'énergie c'est au niveau donc, euh, de l'énergie, les sources en c'est l'hydrologie, et, nous avons la santé, effectivement, ceux qui s'occupent de l'épidémiologie, donc qui sont les points focaux, volets secteur, mais toujours avec, n'est-ce pas, un point focal euh, climat, qui est la direction de la météorologie nationale. Et donc ça, les bulletins sont libres, hein, vous pouvez y accéder, les exploiter comme vous voulez. Et toutes les questions que, vous posez aujourd'hui sur l'agriculture et le pâturage, tout ça là, toutes les informations sont dans ce bulletin là. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. on va revenir vers euh, Salem Aman de la plateforme paysanne. Comment vos services, euh, la plateforme paysanne, contribuent elles elle en termes euh, d'encadrement, appui aux paysans pour des bonnes récoltes Oui, merci, monsieur Mokhtar. En fait, vous savez, la plateforme paysanne, c'est un cadre de concertation hein, qui est basé sur 13 euh, organisations paysannes fêtières. Donc, euh, ça veut dire que la plateforme paysanne a, euh, en plus de ces organisations paysannes qui sont dans l'ensemble de régions, nous avons des coordinations régionales, départementales et communales. Donc, nous avons un dispositif, en tout cas un peu qui nous permet d'être, en tout cas, à côté de, paysans. On, avait, on a de, de formateurs ou de paysans relais donc des paysans qui sont euh, en tout cas bien euh, en tout cas formés, qu'on appelle des animateurs, qui sont euh, à côté effectivement des paysans qui leur donnent des conseils. nous avons également un dispositif de suivi des exploitations familiales, donc qui nous permet effectivement de suivre un peu les performances des exploitations familiales. À travers des champs écoles Oui, oui c'est que le dispositif, c'est qu'on appelle, c'est comme si c'est un observatoire, c'est comme si c'est un miroir. C'est-à-dire c'est basé sur euh, euh, les animateurs endogènes euh, qui, en tout cas, qui suivent toute une famille. Hein. On peut évaluer ou suivre certains indicateurs, voir effectivement cette famille en termes de couverture alimentaire, c'est-à-dire sa propre production, ça lui a couvert combien de mois en termes de consommation. Et est-ce que sa propre production lui permet d'atteindre 12 mois, 6 mois et choses. et le reste de l'année, comment en tout cas la famille et ça adapte ou quelle stratégie. Donc nous avons vraiment tous ces dispositifs et, et, et, nous en tout cas essayons d'apporter des conseils, que ce soit des conseils effectivement en termes de production, en tout cas comment améliorer euh, la production et même en, termes de conseils, en tout cas d'orientation et de plaidoyer. Donc aujourd'hui, là où nous intervenons, parce que les dispositifs n'est pas euh, pour l'instant couvert, euh, en tout cas l'ensemble de, de régions, mais nous sommes en tout cas à mesure de dire à l'État si vous allez intervenir, voilà telle famille qui est dans telle situation. Euh, donc euh, vraiment, ça c'est euh, un dispositif que nous avons. au niveau de la plateforme paysanne. Salim Mamana, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont les plus récurrents en cette période. comment faire pour éviter ou les minimiser Oui, en tout cas, c'est pour cela hein, la plateforme présente un cadre de constatation, parce que ça regroupe euh, les organisations, euh, en tout cas euh, d'agriculture, donc qui sont purement de l'agriculture, et vous avez des agro-pasteurs et vous avez des pasteurs. Donc vraiment, la première des choses, c'est quoi C'est le dialogue. Nous nous disons toujours, en tout cas, que ce soit les agriculteurs, en tout cas, tu, aujourd'hui, tu ne peux pas dissocier qui n'est pas qui est agriculteur, qui est pour, <laughs> qui tout le monde est agriculteur, tout, le monde est éleveur. Parce que nous, parce que la plupart maintenant, même quand tu regardes un peu, même les animaux, c'est pour qui. C'est surtout, euh, la majorité quand tu vois, c'est les, agriculteurs hein, qui, qui, donnent leurs choses, leurs leur euh, aux, éleveurs. Qui, quand tu regardes souvent, quand tu fais un bon diagnostic, tu vas constater que <laughs> éleveurs n'ont rien. Donc c'est toujours nous dans nous. Donc vraiment, euh, c'est ça que nous conseillons, c'est le dialogue, euh, en tout cas, de concertation entre nous. Et chaque fois, en tout cas, c'est ça que nous, nous promettions, euh, que ce soit au niveau national ou au niveau de région. Oui, mais, oui, mais est-ce que le phénomène est en baisse au Niger, le phénomène, de, le conflit entre... je, pense que, le phénomène est en baisse. Il faut savoir qu'il il y, a des, accélérateurs de conflit. Hein. Toujours nous revenons sur les changements climatiques avec maintenant la réflexion de ressources. Euh, donc ça fait que effectivement, euh, effectivement, si on mise pas beaucoup sur, en tout cas, la conscientisation, sur la sensibilisation, euh, le conflit risque un peu, en tout cas, d'accélérer ou, de dégénérer. En tout cas, parce que c'est la nature qui nous impose. Les ressources, en tout cas, de plus en plus, ça défie, hein, ça raréfie. Donc il faut euh, maximiser euh, la concertation et le dialogue. Vraiment, ça, c'est notre rôle. nous avons conduit pas mal de, en tout cas, d'initiatives. Euh, nous faisons des forums, en tout cas, OP, Organisation Paysanne, en tout cas, en entre agriculteurs et éleveurs, nous faisons des forums de sensibilisation par rapport effectivement à ces phénomènes. nous faisons effectivement chaque année, que vous voyez, ce qu'on appelle la semaine du paysan, où c'est l'ensemble de paysans, en tout cas, que ce soit en tout cas des agriculteurs, que ce soit des éleveurs, qui se retrouvent. On discute euh, entre nous, euh, en tout cas, pour poser effectivement ces questions de conflit. Euh, Salem Amana, votre proposition, conseil, recommandation pour une meilleure campagne agro-pastorale 2022 au Niger, rapidement. Merci. en tout cas, notre conseil et proposition, euh, effectivement, ce que, euh, il faut que, en tout cas, l'État, euh, en tout cas, dans le maire de l'EU, puisse effectivement évaluer un peu l'année 2022 pour voir effectivement ce que ça a donné en termes de production. Et s'il y a en tout cas une intervention d'urgence à faire, il faut faire ça à temps. Parce que ça ne sert à rien de laisser les gens entrer dans une situation critique et puis intervenir euh, effectivement à euh, temps. Et, nous disons déjà la campagne 2023 euh, se prépare, doivent se, être préparée de maintenant. Donc il faut vraiment préparer à mettre en tout cas les entrants à temps. Chaque année, vous voyez, les engrais coûtent excessivement cher. Il faut que l'État voit comment il va subventionner cette question. Parce qu'un sac d'engrais qui coûte 30 000, vous voyez, ce n'est pas accessible aux, petits producteurs. Donc vraiment, c'est tout ce conseil que... Merci beaucoup, Salem Maman. Monsieur le directeur général, quels sont vos conseils, recommandations pour une meilleure campagne agro pastorale 2022 au Niger Ok, merci bien. c'est un débat qu'on aurait pu avoir peut-être au début de, saison. Mais déjà, donc, pour ce qui reste de la campagne, et vu l'évolution, ce, ce qui est un peu réconfortant, et je crois que mon collègue, euh, la plateforme l'a un peu évoqué, je crois qu'il faut faire attention maintenant vers la fin de la saison, comme on l'a vu l'année dernière. Et l'année dernière, nous avons fait la même prévision. On a dit que euh, dans certaines, beaucoup de localités, la pluie euh, va s'étendre jusqu'à euh, tardivement. Ça veut dire que si ça doit s'arrêter 25, ça pourrait aller jusqu'à 30 chez toi. Ou si c'est dans les 30, ça peut glisser sur octobre. Donc, c'est dire que la fin de saison, normalement, selon nos prévisions, devrait intervenir beaucoup plus que la moyenne au-dessus de la moyenne. Et donc, comme tel, comme il l'a dit, je crois que c'est le moment de récolter rapidement. Il faut vite, récolter parce que des fois, il peut y avoir un peu même d'arrêt de pluie. Après, on pense que bon, on a tout le temps, c'est la fin de la saison. Or, il y a la pluie qui reste, qui arrive et qui peut détruire tout ce qu'on a récolté. Euh, voilà, récolté. Et ou même euh, si c'est mal emmagasiné. Donc, je crois que tout ça là, on, a, on est arrivé à quelque chose qu'on pense qui va être très bien. Je crois que la première chose, c'est d'avoir pouvoir les récolter et vraiment les sécuriser. Ouais, <clears throat> deuxièmement, je crois que l'État aussi devrait intervenir dans la gestion de tout ce qu'on va trouver, de, tous les rendements qu'on va avoir, de toutes les récoltes. Vraiment, il faut qu'il y ait eh, une bonne planification en prélude de ce qui va se passer en 2023, que nous ne connaissons pas encore, pour qu'il y ait vraiment de la consistance et qu'on accompagne les producteurs et toute la population jusqu'à 2023 en toute sécurité. Il faut aussi éviter le gaspillage. De le gaspillage, c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais que l'État également s'implique à côté donc des plateformes, de toutes les organisations là qui sont là. Je crois qu'il est nécessaire que cela se fasse. Nous, de notre côté, et nous allons donner toutes les prévisions qu'il faut dans les zones où on pense qu'il y aura des précipitations. Comme l'année dernière, on l'a fait. Et ça a sauvé beaucoup de choses. Quand on est parti et cette année, et surtout dans la zone des Indes, pour évaluer, et même à DIFA, ils ont dit oui, oui, on a suivi, vous avez dit que la pluie va revenir, et c'est revenu. Mais malheureusement, il y en a qui n'ont pas cru et puis ils ont, ils ont perdu leur. Donc, euh, ce sont des choses euh, comme ça. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous sommes au terme de ce forum de à Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Kachalou Gaptia directeur général de la météorologie nationale euh, du Niger, et Saleh Maman de la plateforme paysanne du Niger. Je rappelle que nous avions également invité la direction générale de l'agriculture au ministère de l'agriculture culture, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangu qui vous parvient grâce à nos 52 radios aux partenaires. Euh, merci aussi à la technique côté son assurée par Issa Lawali et à la réalisation Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.